Nous avons fait le collectif directeur école ak euh, ministère bi ki ko fi téwal moy IF e ñoy faral di pour li permettre de mettre en place une stratégie pour nous bi jëm kanam fi ci commune Hann montant de 64 millions il y a 14 millions pour fournitures scolaires, 50 millions pour li nga bourse yi nga xamné inshallah suba ci suba ko commencé jox ñi nga xamné bénéficiaire donc vraiment nañu xel yi yi nañuy set nañu bayyi xel naka dañuy jang fa ñuy dem dañ ko war dem fekki yeneen xalé yo xamanteni ci kër donc seen ay vraiment à ce que résultat bu ñuy wax ñu résultat bu baax classe bi wala bi diw c'est la meilleure école publique en termes d'éducation point. Nous sacrifions encore une fois ce matin à une tradition instituée depuis 13 ans pour les fournitures de bourses scolaires et depuis 5 ans pour les aides scolaires. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Allah qui nous a permis, de, qui nous a permis encore une fois d'organiser une telle cérémonie. Les fournitures scolaires que nous remettons ce matin sont évaluées à 14 millions. Elles contribueront certainement à soulager les parents d'un lourd fardeau. Les aides scolaires, les bourses scolaires s'élèvent à 50 millions pour 2000 élèves issus des écoles élémentaires publiques de Hortsen et du Dara moderne. Ainsi, 64 millions ont été appuyés à nos enfants pour permettre à nos enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Depuis toujours, j'aurais dit, nous avions constaté que toutes les générations qui se sont précédées ici n'ont pas obtenu le bac dans l'arrondissement de Grand Dakar, encore moins dans la commune d'Anber. Dieu nous a gratifiés aujourd'hui de ce joyau. Je fais allusion au lycée de Anne Belair, qui est le premier lycée de l'arrondissement de Grand Dakar. Dans les six communes, nous sommes la seule commune à avoir obtenu, en tout cas, ce, ce lycée. Et c'est grâce aux populations, grâce aux parents d'élèves, et c'est grâce à la communauté éducative, mais surtout aux collègues, à l'IEA et à l'UE.